au Brésil. Hein? Nous, on a quand même le Pays-Bas, les Pays-Bas, le Qatar, le Qatar. Pays-Bas, un absent. On est absent, on a deux absents déjà. Kande forfait Sadio la la Istanbul la la comment tu as Sadio Istanbul la la qu'est-ce que t'as fait C'est vrai que là, ça nous a ici à l'escale d'Istanbul. On a, pris, euh, la nouvelle avec beaucoup de déception, puisqu'on pensait que même s'il avait été un, voire deux matchs, c'était encore possible. Donc là, euh, c'est une grosse déception, mais bon, on va faire avec. Il faut faire avec. Moi, je crois que c'est aux joueurs de se dire que maintenant, c'est officiel, ça, je va faire sans lui. Mais pourquoi ne pas jouer pour ça pour Sadio, gagner pour Sadio, faire sans Sadio, savoir évoluer sans Sadio. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. sur que Sadio, ok, on, est euh, conscient de tout ce qui a été, tout ce avait voulu faire pour le Sénégal, mais ce ne sera pas possible. Maintenant, euh, pour te montrer que nous, nous, sommes avec toi, on va tout faire pour gagner sans toi et se qualifier sans toi. Merci. Hubert, euh, juste un petit mot par rapport à l'absence de Sadio Mané, au forfait officiel de Sadio Mané. il fait l'effet à Istanbul. D'abord bi nga yëgee la nouvelle qu'est-ce que nga as nga euh, nouvelle bi ça m'a attristé attristé je me suis attendu un peu quoi c'est-à-dire que nous sommes été on n'était pas très sûr que nous allions récupérer il y avait un peu d'espoir mais vous forcez, de nous bett trop on nekk nag affaire boo xam mais derrière nous avons nous pensons que boss nous ñu aurait quand même équipe effectif bi ñu yore sans Sadio avec poule nous tomber aussi vraiment c'est une poule qui est dans nos corps qualification en huitième de finale Pour nañ ko assurer même si Sadio est un élément important Nous avons euh, wax ko ça? c'est une lapalissade mais suñu boss quand même pour nañ mën a gérer poule pour ba quand même c'est une poule qui est à notre portée suñu adversaire bi gën difficile mooy suñu premier adversaire mooy les Pays-Bas foofu nañ ko négocier génn avec à défaut de victoire nous avons négocié avec le point de nul maintenant il nous restera à rencontrer le Qatar et l'Équateur foofu c'est des adversaires quand même qui sont largement à notre portée boo xoolee classement FIFA dañ leen juutu très très très largement donc nous équipe la yoo xam ne euh, bu ñuy même en l'absence de Sadio nous sommes en position de favori